comme chez vous. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Vraiment, faites comme chez vous. On s'en fout. Faites comme chez vous. On s'en fout. Faites comme chez vous. On s'en fout. Et faites aussi comme bon vous semble sur le e-commerce. On s'en fout. <laughs> Bonjour et bienvenue sur votre émission Tous à la Fada, le magazine hebdomadaire dédié à la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle forme de commerce, loin du business classique, le e-commerce. Tu as un bien quelconque à liquider. Internet peut aujourd'hui te permettre de faire tes affaires juste avec ton smartphone. Tu achètes ou tu vends au calme. On prend des photos d'articles en les publiant un peu partout. Rabbi Mabinon de Toujours avait en première partie d'émission introduit le sujet en vous briefant sur les formes de I. Commerce. Au Niger. Ainsi, la pratique de ce commerce dans le contexte actuel. Moi, je vais plus en profondeur en accueillant des invités pour parler avec eux sur les avant, les dents ou encore les alternats du commerce digital, le commerce via les réseaux sociaux et les plateformes Internet dédiées. E-commerce, opportunités, risques et perspectives pour les jeunes. Tel est le thème à débattre aujourd'hui sur lequel vous pouvez donner vos avis, chers auditeurs. Pour cela, on se rappelle sûrement du numéro pour les fidèles de cette émission. Mais pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, vous pouvez réagir et participer aux discussions sur le thème du jour par vocal au 80 06 88 54. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en envoyant jeune 80 06 88 54. Tout ça, la fada. C'est parti pour 35 minutes d'échange avec quelques pauses musicales puisque nous sommes jeunes et notre source d'inspiration c'est la zik et aussi notre chronique hebdomadaire. Mr Olivier, je te souhaite la bienvenue. tu pètes la forme ou c'est la forme qui te pète Je te dis que je suis très en forme ce matin. Alors Olivier, de quoi s'agit-il Aujourd'hui, tu parles du e-commerce, c'est-à-dire euh, l'internet, euh, l'influence de l'internet dans le commerce. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je vais te parler du e-gouvernement. Comment est-ce que les politiques utilisent internet bah, pour qu'on contrôler leur communication et bien évidemment pour contrôler leur pays. On se check dans 30 minutes, Mr. Olivier. vous êtes prêts, cher auditeur Une question que je vous pose, répondez si vous kiffez l'émission à travers le Niger. Agadez, Difa, Dousso, Tawatila, Berignyame, Kolo, Torodi, Zender. On lance le grand bain. Localisation géographique. Nous nous trouvons actuellement à Kwarakano. Vous savez déjà que nous sommes confinés depuis un certain temps à la maison. L'émission tout à la Fada se déroule au sein du studio Kalangu. E-commerce, opportunités, risques et perspectives pour les jeunes. C'est notre thème du jour. Pour mieux nous permettre de comprendre les enjeux liés à ce commerce, nous accueillons des invités qui vont se présenter. Monsieur, comment vous allez Ça va Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Moi, c'est Monsieur Maman Adamo de Meshago, Niger. Meshago, Niger. Oui. Monsieur Maman, nous vous souhaitons la bienvenue sur l'émission de Merci, merci à vous. Et juste à côté de Monsieur Maman, nous avons Mahamadou Zamanka, le cofondateur de Artisan Line, donc l'artisanat en ligne. L'artisanat en ligne. Super. Nous sommes avec des dames. La femme, elle est issue de la côte gauche de l'homme, près du cœur pour être aimée et sous le bras pour être protégée. Ce que femme veut, Dieu veut. Pour cette raison, je vous demande de faire un maximum de bruit pour les femmes présentes sur cette émission. Je m'en vais présenter les dames, messieurs. Je suis vraiment désolé pour ça, mes belles femmes. C'est à moi de les présenter. Nous sommes avec Umulhaïr Karidjo Marou Abou. Comment vous allez je vais très bien, Dieu merci. Tu pètes la forme aussi Oui, je suis en forme. Alors, Moulher, vous représentez quelle structure sur cette émission au jour d'aujourd'hui Voilà, je suis de Kaira Habou, Kassouan al Kair Habou <laughs> Qu'est-ce que vous vendez, dites-moi En fait, sur Kair Habou, nous vendons, nous aidons à vendre également. Nous avons tout type de produits, les produits alimentaires, cosmétiques, vestimentaires, ce qu'on peut retrouver sur le marché. Un peu du tout, en quelque sorte. C'est du bazar. C'est du bazar, comme ton sac euh, fourre-tout. Ah, exactement. <laughs> Exactement, madame. Nous sommes aussi avec mademoiselle ou madame Mademoiselle. Madigen Soukaina. Comment vous allez, madame Je vais très bien. Super. Nous vous souhaitons la bienvenue. Dites-moi ce que vous faites sur cette émission aujourd'hui. Euh, moi, je suis la promotrice de Taf Taf Livraison. C'est quoi Taf Livraison C'est un service de livraison à domicile. Livraison à domicile Bien sûr. Tout ce que je veux oui, tout ce qui est transportable à moto. Eh oui, donc tout sauf un avion alors. <laughs> Écoutons quelques réactions de nos auditeurs sur le thème du jour au micro de Soumela Ousmane. Il faut aussi préciser que faire des achats sur Internet comporte des risques des risques liés à la piraterie parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là sur Internet qui peuvent utiliser tes données pour des choses qui ne sont pas conformes à la loi ou euh, même utiliser le numéro de ton compte bancaire si tu as euh, ou ta carte de crédit. Si tu as de l'argent dedans, ils peuvent euh, retirer cet argent-là. Il y a aussi le vendeur. Il faut trouver la bonne personne parce que souvent, on ne sait pas avec qui on est en train de traiter. Donc, il faut trouver des informations sur la personne, essayer de savoir si c'est une personne de bonne parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi. Tu leur envoies l'argent, ils ne euh, ne pas euh, la marchandise demandée ou euh, ils t'envoient quelque chose qui n'est pas conforme à ce que tu as demandé ou même euh, t'envoyer quelque chose qui soit défectué. Voilà un peu de quoi vraiment il faut faire attention. Il y en a tellement de techniques qui sont là aujourd'hui sur les net pour contourner les systèmes. Euh, donc il faut vraiment faire très attention et à ne pas s'engager dans quelque chose qui va euh, jouer à notre défaveur. Il y, a, bien des risques euh, dans le marketing des réseaux sociaux. Bon, ici au Niger, je peux dire que les seuls risques qu'on peut parcourir, c'est l'escroquerie, l'escroquerie qui s'effectue entre la vente des marchandises. Si on prend les pays occidentaux là-bas, il y a beaucoup de risques parce qu'il y a les piratages. Oui, ça c'est le plus grand risque. Mais ici, nous, je pense que les piratages des liens, des systèmes, des, systèmes d'exploitation, là, ce n'est qu'un vie chez nous. Je commencerai par toi, Oumulher. Sanifona Ibemina. Nemade hankan jeune wochi. Ine enfant dingene ndim kan dingai se maribi enfant dosmar non kande comme nous na kuddumano ndegine est ce que one o nudo nugudu one o kannegi jina de lagas konda borase boram ne mon tone bono arante zam so, oh. ne risque kango onno voilà et iga chim risko kango na zam bore no gono kango habo sara moi personnellement ay monde do wodin kina zam hala iga koy dun commande nin kontoran plein nin numero ga ka hal ay ko koy ay garance irma

nay min ha no sanni fo namade hankan Euh, sonda nuwoy ma umula herici nuwo en tant que produit artisanal il faut no nugu il faut que produit artisanal o kanno ning famande se quoi yan wala han de bundu borayse il faut que produit artisanal produit artisanal de kati o kan yan gokte en fait comme on dit fait main par les oh. artisans. Oh, voilà. Est-ce que Aron ou Aron Begdou problème on est on demande quand je n'ai une femme ni quand hayange ging dia après sanga de kambe idia fota bon kwanda asinda euh, j'ai personnellement j'ai j'ai jamais vécu ça mais quand hmm. même j'ai appris Emma des histoires dessus mhm. Là, donc, euh, en fait, il y a un ami qui a vu sur un site euh, une chemise très bien faite, mhm. voilà, il a acheté. Mhm. Et il se trouve que fauteuil qui s'embouise à kimono, non. <laughs> il dit problème pour nous. Voilà. Donc là, kaka da ana ingo mantoni na de ina se to inga de no go il faut ta sambi chebe wiza fota ina hansa no ina hansa hansa hein. donc hmm. souvent en fait les gens ils retouchent les images alors que non on doit hmm. pas retoucher l'image telle qu'elle on doit juste envoyer la version authentique en ah, mon photo bon arka harka mandafa walma chadin alors madame sukena les risques c'est des deux côtés vous avez l'habitude de livrer partout au monde. Est-ce que vous n'êtes pas une fois confronté, vous, en tant que livreur, à des risques Bon, non. Vous prenez le risque de livrer partout au Niger euh, même dans un trou, dans arme livré, ça Ils sont partout à Niamey. Partout à Niamey. Oui, et maintenant, à partir de certaines heures, on évite certains quartiers. Ok. Moi, en, tant que client, je commande un produit par taf-taf. Alors, comment expliquez-moi un peu la procédure Disons que vous, voilà, vous avez besoin qu'on aille récupérer chez Omolker, par exemple, un colis. Mhm. Donc, vous m'appelez ou vous envoyez sur WhatsApp ou sur Facebook ou sur Twitter, ça dépend. Euh, ou en appel direct. Vous appelez, vous demandez, vous me dites Ah, j'ai un colis chez Oumulker et j'aimerais qu'on aille me le récupérer et qu'on me l'apporte, je suis à tel endroit. Vous nous donnez le numéro de Oumolker, nous on se charge de l'appeler pour qu'elle nous fasse le plan de chez elle et le livreur va, il récupère, il vous appelle, il vous et il vous apporte le colis. Donc euh, le livreur, il maîtrise la ville de Niamey parce qu'il faut maîtriser la ville de Niamey, forcément. forcément oui. L'hiver, quand Niamey <laughs> Bien sûr. Ah, Monsieur Maman le e-commerce ou encore business sur Internet. Quel avantage ce commerce présente-t-il aujourd'hui pour les jeunes Nigériens De vous à moi, est-ce qu'Ago Nigérien est une affaire Jeune. Oui, bon, le e-commerce a un grand avantage euh, au Niger. Mhm. Puisque de nos jours, euh, tous les petits business, euh, ça, permet à pas mal de jeunes, surtout qui sont au chômage, de s'en sortir via le commerce électronique. Ils n'ont pas les moyens de prendre une boutique euh, en location. Mais via Internet, ils arrivent à vendre les biens de leurs voisins qui a une boutique dehors. Donc c'est un avantage euh, pour les jeunes et surtout aussi pour les petits commerçants du quartier qui n'arrivent pas à avoir la clientèle. Mais grâce à e-commerce, euh, je peux dire, Alhamdulillah, ils arrivent quand même à, s'en sortir. Dites-moi, euh, patanti par, euh, via euh, le e-commerce Oui. Sinon, les... nous dis-moi. Non, comme ça, je veux dire que c'est aussi des avantages pour accompagner. Hein. Bon, l'avantage des e-commerce, en tant qu'une boutique électronique, euh, mm-hmm. on doit être en règle comme les autres boutiques, avoir. Forcément. Oui, forcément. Vous le faites, vous, êtes en règle de vous avoir. Oui, je suis en règle. <laughs> Ok, super. Alors. alors, on va dire, euh, on va dire, on va demander à Oumoulaher Karidjo, euh, puisqu'on sait qu'à l'étranger, ça marche très bien, ce genre de commerce en principe. Alors, ce business est très développé euh, chez et par les jeunes au Niger. On y arrive lentement, mais sûrement. Je sais que vous êtes un peu, vous êtes vraiment un peu nombreux sur la question. Mais euh, qu'est-ce qui empêche ou pourrait empêcher un développement rapide du e-commerce ici chez les jeunes Il faut des nougoga tafar. Il faut en haou. Voilà, gogo haou to kanu. ay arma salanda il faut que irma goy irgo goy da boutique bambate te manti kulno gnane afoyeng di kan bon c'est pas important donc il faut que irmi convaincre woni et hinka connexion alhalu han foyen bonen ci ngem commande connexion sigite ido arandi woni irwo asi irhanse irwo irbon dirbo irga connexion kan ga go élevé irmu duga instantanément irma commande sambu mais barkan connexion han asibori ni di asite woni frano développement a afo mo gata kan boreng mil kan e waranka wai taci wai gu zongu inga singa dwa si tay bon igi hinga dwa irwo wo kulnu kulno niveau men da gonu bor kulgudu inga wana dede we gonu kan da ai ka tani eh, sai amma ni gili bere zan wono taf taf go gorme in mo ba ngi ba <laughs> o oh, yadi yadi no yadi yadi no me taf taf ar go go cer kan cer de kamba de cambarano vous travaillez ensemble non non c'est connu aujourd'hui c'est une, opportunité euh, avec, euh, les commerçants oui oui oui oui euh, ok c'est ça on se aujourd'hui vous allez échanger vos numéros sur cette émission Inch'Allah, bien sûr les jeunes font avancer le pays nous c'est c'est ça l'objectif en question de ces émissions quelque chose à ajouter monsieur en ce qui concerne ce qui freine je dirais en fait que ils ont pratiquement tout dit hein ok voilà, donc. Euh, L'Internet Il faudrait un bon accès. OK. Et euh, voilà, en fait, euh, il faudrait aussi que le commerçant, je vais dire, la plateforme soit honnête et juste. Honnête et juste. Voilà. Mhm. Voilà, et puis de l'autre côté aussi, tenir compte du besoin de la personne qui commande. Merci, Monsieur Mamadou. L'émission Tous à la Fada, c'est aussi la sensibilisation. Mais avant cela, vous pouvez euh, intervenir sur cette émission en envoyant vos avis au 80 06 88 54. Et pour recevoir nos contenus, vous pouvez aussi euh, envoyer jeunes toujours au 80 06 88 54. Place à présent à la rubrique Covid-19. L'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Yaka Yaka Chaka. Ladies and gentlemen, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre rubrique L'artiste s'exprime Covid-19. Engagement pour le combat contre la Covid-19. Tout le monde, sans exception, joue son rôle et les artistes ne sont pas en reste. Nous avons déjà abordé le sujet dans nos précédentes émissions et sur lesquelles nous avons accueilli plusieurs artistes, chanteurs et renommés afin de nous parler de la Covid-19 et des actions qu'ils mènent à leur niveau pour lutter contre cette mi. Aujourd'hui, nous touchons une autre star avec laquelle nous allons échanger sur la Covid-19. On l'appelle le king de l'afro-pop. Il allie originalité et créativité dans ses chansons. Alors, on l'appelle... On se rappelle tous de Surbajo, euh, Matata ou Tabakaka. Alors aujourd'hui, nous allons commencer, euh, n'est-ce pas, à chanter l'amour parce que cet amour rend d'une manière ou d'une autre l'homme dingue. Écoutez ce que ça donne. L'amour rend l'homme dingue, l'amour rend l'homme fou, l'amour rend l'homme malade, rend l'homme dingue. Alors aujourd'hui, c'est pas l'amour qui rend l'homme dingue, c'est pas l'amour qui rend l'homme malade, c'est pas l'amour qui rend l'homme fou. Écoutez ce que ça donne cette fois-ci, c'est la Covid qui rend l'homme fou. Covid rend l'homme dingue, Covid rend l'homme fou, Covid rend l'homme malade, rend l'homme dingue. Écoutez aussi Irsi Baraba faut nin nirsiba nin nin nirsiba covido nin nirsiba nin nin nirsiba covido <laughs> on l'homme d'un covid NIRDAN drara. <laughs> alors covid NIRDAN drara alors puisque covid NIRDAN drara. Oh. alors aujourd'hui on va parler de cette covid il mourut yimarim covid alors Abel Zamani dis-moi qu'est-ce que tu as fait quelle est ta contribution dans cette lutte contre la pandémie de la covid 19 Stop corona, ciwon corona, ciwo ne mai ban tsoro. Ku gargaɗin da ake muna. Likitoci sun faɗi nasu, shugaban ne sun faɗi nasu. Ina laifi ka wanke hannu da sabuni tsaf tsaf tsaf corona mai tsoron tsafta. ka kare kanka da iyali dan neman lafiyar jikinsu dan neman lahiyar jikinka. Sida Javino. Malaria, tu as vu, non Ebola, tu as vu, eh, Corona n'a pas dit tout science. vous vous rappelez certainement, la semaine passée, on était avec Akin et King. Ok, d'accord, c'était donc euh, pratiquement eh, le même projet. Alors, on te reçoit aujourd'hui, Abel Zamani, pour que tu puisses nous dire hein, euh, la pandémie de la Covid-19 est une réalité au Niger, on le sait. Alors, comment Abel Zamani peut expliquer un peu cette maladie à ses fans qui kiffent cette émission à travers le Niger ku ciwo ne da ya rikita duniya ya ba tura wahala da jimawa ba ciwon da ya taba ba turawa tsoro ya rikitar da kwakwalwar duniya da duka duniya gaba ɗaya sai wanga ciwo da ake ce ma covid furancerori duka allike ba mai shiga ba mai fita cikin ƙasar wani saboda wanga ciwo mai halkar da mutane to ina laihin an ce ka wanke hannu da sabuni tsaf ka shiga gidanka don saboda kare kanka da kare iyalinka bai kai ba sai ka shiga musu da wata cuta da za ta halakar da su ba an ce ka sa meta ɗai tsakanin kai da wanda kuke tare ko hira kuke tari cikin gwiwa hannunka duk wannan bai da laihi don saboda lahiyar jikinka don saboda lahiyar jikinka rigakafi ya yi magani fasko hattara da covid hattara da covid babu wani a cewa wani tarattama efikas ko wani abu ba kai dai hattara ba ta da imani ba ta da imani <laughs> akwai da covid-19 <laughs> abel zamani Mhm. Comment tu vois les choses à l'avenir Est-ce que le coronavirus sera vaincu Quel serait ton message d'espoir à passer ici à l'endroit de nos populations d'ici et d'ailleurs, puisqu'on sait que le virus continue toujours à circuler. Un message de l'artiste qui vient de tes entrailles. C'est de cela qu'il s'agit. Machine, ask you. Réponds. To, ba na Niger. wanga ciwon idan mun gaji abubuwan da likitoci da shugabanni sun ka gaya mana mun ka bi ka'idodin da an ka ɗoka insha Allah wanga ciwo mun ga ƙarshen shi gashi nan sannu sannu mun ji magana mun ji mun ɗauki abubuwan da an ka gaya mana wanke hannu da yawan shiga cikin mutane da gaida mutane gashi sannu sannu zancen ta na cewa kenan sai ki vidirke gashi mun hita ƙarhi muna nan ga gwada mata mun hita ƙarhi ba ta da wurin shiga insha Allah kuma idan mun ka kama mun sa hannu cikin juna wanga ciwo da ake kira corona wato shine covid-19 bacewa zai yi samsam mu gwada mishi mu karhin shi musashi dara musashi dara ka covid ka shiga uku sai dondi ya ce maka hey Nous sommes donc à la fin de cette rubrique, l'artiste s'exprime Covid-19. Ladies and gentlemen, vous savez déjà que ça se passe comme ça sur le studio Kalangu. Eh, les jeunes s'expriment, l'artiste s'exprime sur la Covid-19. On finit avec Tabakaka de l'artiste Abel Zaman. allo, allo. Tabakaka. Oui, baby, oui, baby. Tabakaka. Oui, check it for me. min mi nani belɗum mi i want to see you jango yeah. everybody's coming jango nobody no jango maybe i can be yango suka kaza zamane Mako, no yene heke kam lok mawe corona we go kill you kill you We go kill you. Ladies and gentlemen, alors dites-vous par là que Mr. Mustafa Ayuba était de la partie pour la réalisation de cette rubrique. C'est Nissa qui était aussi de la partie. En cas de difficulté respiratoire, fièvre ou en cas de tout, composé le 118 ou le 15. Machine, it. Mr. Abel, talkit. À l'instant, c'était donc euh, Covid-19, euh, l'artiste s'exprime. E-commerce, opportunités, risques et perspectives pour les jeunes. Il s'agit de notre thème du jour. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours et pour en discuter, nous sommes avec euh, Monsieur Maman Adamou. Nous sommes avec Oumoul Oumoulher, ça va, tu es en forme Oui, ça va très bien. tu as écouté avec attention la rubrique oui, j'ai écouté. On des mots mais vers les des Oh, des <laughs> Nous sommes aussi avec euh, Madi Madidjen euh, Soukaina. Eh, ça va La forme y est toujours Bien sûr. Super, elle <laughs> dit bien sûr. Elle a toutes les formes qu'il faut. Parce que déjà, elle dit son anoutoun. Donc, livraison et appel Ego for Business, ça marche déjà. C'est bien ça. Super. Alors, <laughs> nous sommes avec euh, Monsieur Mamadou Zamanka Artisan Line. Mamadou, ça va tu es en forme Maman, déjà, C'est parfait. <laughs> D'accord. Alors, on va parler, disons, des risques qui peuvent euh, survenir dans la pratique de e-commerce. C'est la deuxième euh, série de questions, cher invité. Euh, des risques liés à la pratique de e-commerce chez les jeunes, il y en a, non Si oui, lesquels, monsieur Maman Qu'est-ce qu'on peut retenir comme risque sur cette émission Bon, concernant le risque, c'est surtout bien, moi je me dis, hein, les risques viennent surtout du côté des, gens qui font le e-commerce qui ne, qui ne respectent pas les règles ou surtout qui font le commerce via les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, quelqu'un peut accéder sur une page de commerce, puisque sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut créer un compte anonymat, venir vendre un article. Or, on ne sait pas exactement cet article, euh, d'où ça vient. Est-ce que le vendeur est à Niamey, il est où, on ne sait pas. Tout le monde peut se déguiser, vendre n'importe quoi sur l'Internet. Monsieur Mahamadou, dites-moi, est-ce qu'il y a des dispositifs de protection ou de sécurité qui existent déjà pour éviter ces risques oui, bon, en termes de dispositifs, souvent, en fait, il y a des conventions, genre, euh, dès que tu viens sur le site, en bas, on te dit, ben voilà nos conditions. Donc, euh, il n'y a que ça, en fait, qui protège en réalité l'acheteur. Alors, on sait que le e-commerce, euh, est exercé surtout par les jeunes au Niger. Alors, courtons le risque d'un conflit de génération entre les pratiquants du e-commerce qui est symbolisé par les jeunes et le système commercial classique qui est pratiqué par les plus âgés, Babzere Gouabouara Est-ce que conflit de génération, c'est Arangamara Bon, je... Oui, c'est par clic volant. Je pense que le conflit, c'est du moment où on zammat kan a ci irga goydai me irga dan ise irgi ga an mu nera ah. me irmo irgonda haifo ner ma bon ya dinga je pense que c'est ba jina man tin wonno exactement ko garab marché nim dis wo bor ko hanno fo a a man tiadini to fama da voilà hmm. songo imne ay soro sukaina agon boutique bambat fo nyamaira kan agner cosmétique hinni son dagba ba inda ga sinye convention manti ya wala habna ga koy musam ha'a inda ga sinye convention ay nasi ay go kay gitenya ay gi hingin ga ni gina imdia hala exterior de le monde entier voilà da yarda ir mu sinye to dai ner gine wone ni gonde 5% de ner wone ni gonde 5% ay mu gina dan sito bon ir mu fota dan de bor faut ko mande ay wo ay mu ka ay musam wal mo livre taf taf gono am koy gi sambu am livre bora boram bana igano ya ta sai irin wani gudu irwana ya dinna gote aha eh, eh su sukena no matano aran hara kayga faam aran mu aran dino aran furha bayra aran diwol mu binde matano aran contact go himanda de bore kayang jenenere Euh, bon, nous, elle nous appelle. OK. Elle nous appelle directement. Les commerçantes ont nos, ont nos numéros. Par quel nous... moyen Est-ce que vous avez déjà, euh, je ne sais pas, vous étiez en contact avec eux ou bien vous avez juste donné vos contacts sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux de bouche à oreille de bouche à oreille. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une pause musicale. Alors, qui va me proposer de musique Moi, Espoir de José. Je vous Espoir de José Oui. Pour dire que la vie est un combat. il faut savoir contrer les coups, quelle que soit leur provenance. Oui. Il y a des hauts, il y a des bas. Et les mhm. gagnants, ce n'est pas ceux qui ne sont jamais tombés, c'est ceux qui ont su se relever après la chute. on on se relève comme un enfant qui apprend à marcher. C'est la mhm. traversée du désert. Qui font José sous l'émission Tous à la Fada. Et tout de suite, la suite. Hum. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris la paix Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts. J'ai condamné tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son côté. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé aux yeux du monde. Vous écoutez toujours tout à la fin. et notre thème d'aujourd'hui est le suivant e-commerce, opportunités, risques et perspectives pour les jeunes. Nous sommes déjà à la troisième partie de nos échanges avec nos invités. Abordons les dernières questions liées aux perspectives du e-commerce avec nos invités. Des perspectives, Moulher. Voilà, je disais, comme perspective de développement, en fait, on peut regarder un peu ce qui se passe à l'Occident, en fait. Voilà. Mhm. Tu as si tu commandes ton PC, ça via vient Amazon. via Amazon, via Exactement. Mhm. Voilà. Eux, là-bas, c'est développé. Ici, par exemple, et les moyens de paiement il y a Orange Money. Hmm. Mais quand tu dis à quelqu'un, faut payer par, euh, par carte bancaire, c'est un peu compliqué. En fait, tout le monde n'a pas. Même par Orange Money, je peux me dire que bon, tu peut peux être aussi quelque part de mauvaise foi. <laughs> Exactement. Et donc, pour développer en fait le e-commerce, il y a des choses aux alentours qu'il faut développer. Comme d'un côté, les moyens de paiement. De paiement. Voilà. Mhm. La connexion qu'il faut amener. Pourquoi on n'est pas allé à 4G partout et moins cher Parce que la connexion, on ne va pas se mentir, c'est très cher au Niger en fait. Mhm. Et donc je pense qu'en fait, c'est le e-commerce est relié à beaucoup de choses. Pour développer le e-commerce, il faut développer ce qu'il y a autour et aussi la bonne foi des de nous en fait. Si tu ajoutes quelque chose, tu as tout, tu as tout gâté. Je pense que tu as bon, je alors. Merci en tout cas pour cette très belle contribution. Sur ce, nous allons accueillir Mr. Olivier que je vous demande d'applaudir très très très fort. Merci. C'est notre Alors la bienvenue sur l'émission du à Alors à l'instant, tu m'avais parlé déjà de quoi en début d'émission De comment est-ce que les gouvernements utilisent l'Internet pour contrôler leur population. C'est de cela qu'on va parler ce soir. Let's go, Olivier Bonsoir à tous. Les coupures d'Internet par un gouvernement peuvent être sanctionnées tout simplement parce que c'est un droit pour les citoyens. À l'instant, Dondi et ses invités parlaient du e-commerce, ce commerce développé sur Internet. Mais au niveau politique, la gestion de l'Internet, c'est tout un enjeu. Alors, les coupures d'Internet par euh, un gouvernement peuvent être sanctionnées. C'est la leçon que j'ai tirée à la lecture de l'actu publié fin juin par l'agence de presse turque Anadolu. Coupure d'Internet, le gouvernement togolais condamné par la Cour de justice de la CDAO. Jusqu'ici, les gouvernements africains ne manquent pas d'imagination pour museler les populations lors des manifestations. Si ce n'est pas à travers des tests de loi, c'est directement via les coupures d'Internet. C'est ce qui s'est passé au Togo en 2017. Lors des manifestations populaires, les autorités de ce pays coupèrent la connexion Internet, paralysant ainsi les services digitaux allant des banques aux administrations publiques et privées et bien évidemment des vendeurs sur Internet comme les Artisan Line aujourd'hui. Alors, et bonjour les dégâts. Vous l'imaginez bien, mais face à cette fermeture de la toile, plusieurs organisations non gouvernementales déposèrent une plainte auprès de la Cour de justice de la CDAO pour atteinte à la liberté d'expression de la population. Rapporte l'agence de presse turque Anadolu que j'ai lu et j'ai piqué certaines infos. Et de préciser que le jeudi 25 juin 2020, la Cour de justice de la CDAO a jugé ces restrictions d'accès à Internet illégales et qu'elles portaient atteinte aux droits des requérants à la liberté d'expression. Pour cela, ce pays a été condamné à verser 2 millions de francs CFA à chacun de ses plaignants. Vous vous en doutez, amis auditeurs, une telle condamnation est un message fort pour de nombreux gouvernements africains. Mais alors, lorsqu'un gouvernement est condamné à payer une amende, qui supporte les frais le Trésor public, les membres du gouvernement, voilà des questions que je me pose aussi et bien évidemment, j'espère que la question, elle est posée à votre niveau. Si on sait très bien qu'aujourd'hui, la coupure d'Internet peut occasionner beaucoup de dégâts au niveau des entreprises, on se demanderait s'il ne faut pas mieux réfléchir sur comment est-ce que sanctionner son peuple. Alors, rassurez-vous, on reviendra là-dessus dans une autre chronique. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Porte-toi bien aussi, Miss Olivier. Sur ce, nous sommes à la fin de l'émission. Chacun peut peut-être placer un mot de fin en ce qui concerne le thème du jour. Alors, Oumoul Air, un mot de fin à l'égard de tous ceux qui écoutent cette émission un peu partout au Niger. Voilà, je remercie. Surtout les jeunes. <laughs> je remercie tous ceux qui nous écoutent, donc en particulier les jeunes et les veux aussi, en fait. Et j'invite tout le monde à visiter notre site. Voilà, et notre page Facebook, c'est Kairou Habou. Voilà, je vous invite à visiter, à partager et à commander surtout. Merci. J'invite les gens à consommer nigérien. Donc, euh, au lieu de commander ailleurs des choses qui se font ici, donc, euh, et puis il y a des plateformes qui sont là, donc euh, s'ils peuvent le faire, donc vraiment, c'est serré. Et bien. vivant. nous vivants. Voilà. Consommons nigérien. Consommons, vivant. Les Nigériens consomment <laughs> nigérien. Alors, quelque chose à ajouter, Soukaina euh, oui, bon, déjà, je vous remercie de nous avoir invités sur le plateau. on est ensemble. Euh, donc, j'invite tous les jeunes à vous écouter les samedis et les dimanches, donc à 17h. Via nos radios partenaires. Via vos radios partenaires. 45, elles sont 45. 45 radios, partenaires. Voilà. Et sur le site à 18h15. Et sur votre site à 18h15. Merci pour ça, Soukaina. <laughs> Alors, monsieur Maman a un mot à ajouter pour dire au revoir à tous qui kiffent cette émission. Euh, oui, oui, tout d'abord, euh, voilà, je remercie toute l'équipe de, Studio Kalongo. Le message que j'ai à donner à la jeunesse, euh, bon, surtout en général la population nigérienne, euh, c'est de vraiment se fier à, l'e-commerce, de ne pas s'inquiéter sur les risques de e-commerce. De toute façon, la population a le choix du type de livraison qu'ils ont besoin. Donc, euh, si c'est la livraison cache à la livraison, on te livre le produit, tu regardes si c'est vraiment le bon produit que tu as commandé, tu payes. Là, je vois, il y a moins de risques dedans. Voilà, donc, euh, je vous remercie. Merci donc aux commerçants 2.0 qui étaient avec nous depuis, eh bien évidemment, le début de cette émission, depuis fort longtemps. Alors, merci à tous qui nous ont suivis un peu partout au Niger à travers nos 45 radios partenaires. C'était les commerçants 2.0 et la machine. Hey.